sanctions, c'est des choses et tout. Qu'est-ce qui a été dit aussi en conclusion du travail qui a été fait mm. Il est facile de sortir, mais qu'est-ce que quelle est la conclusion qui a été donnée Et ça aussi, il faut le dire aux Sénégalais, parce que sinon, des yombo. Mais Charles, euh, malheureusement, euh, on a constaté que euh, lolu dafa commencé doon phénomène euh, ah ba euh, ñom buñu ñu kenn ko xamné rek japp neen il n'a pas soutenu le projet ñu gis né automatiquement eux ils se ils s'organisent si bien réseau yi ba soit ñu génne la tégg la sa sa sa ndomba tank parce qu'on l'avait vu avec la dame Asma bi nek sen TV nga xamné ñu ko annoncé à la RTS mais gis aussi aussi vague de personnes yi nga xamné ne ñaawlu woon dem demam RTS finalement euh, euh, cette fois-ci on parle de Samba Ndiaye comme aussi de reproduire la même chose si ce nouveau régime euh, top ce groupe d'individus à chaque fois il fallait bien c'est poste il n'a pas soutenu le projet est-ce que ces gens-là vont gouverner ce pays non non c'est le c'est le logiciel sénégalais euh, euh, Macky Sall lan lañ ko waxoon noddoo ko xawma ko bandu neddoo ko bandu noon neddoo ko bandum lañ ko waxoon ay tukuleur ak ay pulaar rek lay loolu lañ ko fi waxoon mm. mu ne ko wax bu ñaaw mm. ñu jël rew bi war ko yóbbu ci ay wax yo xamantene yaxam rew rek la mun def du leneen mm. moom la ñuy sauf que c'est pas do c'est y a des gens c'est nous à part nous c'est personne ce n'est pas possible et ça c'est pour ça je dis il y a un discours. Il faut, il faut, il faut, que surtout le Premier ministre. Donc, a raison d'alerter que. Oui, il faut que le euh, Premier ministre. État pastéfien. Il faut que le. Mais État pastéfien, bon, ah, mais État pastéfien, mais ni n'y a pas le réel de l'enseignant. Nous waxante deug nak lan ngeen c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ba dit état ben on vous laisse le pays et puis on s'en va c'est tout état pastéfien ça veut dire quoi ça veut dire quoi un état pastéfien c'est une république du Sénégal tu es au service d'une république. Mais Charles, nous avons pour le projet hein? mais ñoom pour le projet mais mais moi j'ai aucun problème avec ça. moi j'ai quand moo xam pour kan laa mais mm. ah, ben voilà mais moi je suis le premier à avoir dit que à Sonko. Euh, comment dire, il y a de fortes chances pour que tu ne sois pas sur tu n'as qu'à plan A, plan B, plan C, plan D. Ah, et ça, avec la Thaïlande, quand on est président. Mm. Ah, attends. Le problème n'est pas là. Il faut éviter justement de créer, de créer cette affaire. Bon, on se regarde comme. Non, c'est pas possible.

Ah, le président de la République aujourd'hui, le Sénégal, de le président de la République va chercher Ousmane Sonko. Ils vont chercher les compétences partout où elles sont au Sénégal. xam nga pour lan pour servir le Sénégal muy seen ndam ñoom. Mhm. muy suñu ndam ñun. bu fekkente ne léegi da sénégalais yi nii nga ne leen yéen bokk leen ce projet bi ñun ñooy jën di vous vous êtes des moutons de Parniche on fera de vous ce qu'on veut faire mais ce n'est pas possible. Mhm. ça c'est trivial c'est ramener les gens à l'âge de pierre c'est-à-dire mais mais c'est pour ça que je dis le discours de Bassirou pourquoi Bassirou Diomaye fait fait aimer mm. pourquoi Sénégalais yi bëgg mais daf ñu indi un xamante ne moom mm. pourquoi nous bëgg Bassirou c'est le président de tous les Sénégalais au début on est tous fiers j'avais dit ici que ce n'était pas un mannequin faut pas qu'on nous parle de mannequin mm on est fiers du discours qu'il a, tenu aux Nations Unies. Moi, ça m'a dit, ça m'a informé sur l'homme. Je me suis dit, bon, tiens, il est de gauche. Mais j'étais très fier de l'écouter, de l'entendre. Il a impressionné. Oui l'a impressionné. Aujourd'hui, on parle d'un livre qui aurait dû être dans une librairie. On doit faire attention à ces choses-là, comment les gens pourraient nous déstabiliser, parce que tout simplement, on a un Sénégal qui n'est pas un autre pays et qui est très important sur certaines places, euh, comment dire, dans, dans, certaines capitales. Alors, il faut, mm. c'est le moment d'être tous ensemble. C'est pour ça que je pense que, ils n'ont pas fait le Borom loxo bu set. Bon, il est vrai que moi je crois en quelqu'un qui m'a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Man Yesu Christ mooy suma kilifa dafa ne ay comme un nous avons jël hmm. de système tu enlèves un système pour mettre quoi. ce n'est rien Nous, quand on a 20 ans on parlait d'establishment il faut être cultivé Nous, on parlait d'establishment aujourd'hui on te parle de système ça veut dire la même chose on va enlever le système quel système tu vas enlever. Hmm. là où tu as des hommes tu as un système. Mm. Tu changes le système pour en remettre un autre. Ok, mm. tu changes le système, j'en mets un autre. On parle de modèle économique, il faut parler de système économique. Mm. Quel est le système économique aujourd'hui Il est hybride. On a un système, il est de quoi On ne produit pas. Il faut aller vers la production. Ok, on va aller vers la production. Qui va produire Qui va financer la production Qui va accompagner Qui va encadrer Quelle loi on va mettre Qu'est-ce Pour que tout simplement nous puissions produire. Mm-hmm. Ah oui, et ça, euh, c'est là que ça commence à être intéressant. On ne parle pas de ça. C'est vrai. Ben oui. Il faut qu'on parle de ça. L'éducation, tiens. Mm-hmm. Comment faire en sorte pour que nos gosses aillent tous, tous les Sénégalais, au moins, au moins 95% des Sénégalais puissent arriver en terminale. Mm-hmm et faire en sorte que peut-être 80% ou 85% des Sénégalais aient un niveau universitaire. Voilà ce qu'ont ce, à faire Singapour, Corée et ainsi de suite. Mais pour ça, il va falloir qu'on apprenne ou on l'offre ou quoi et qu'on structure, qu'on machin et tout ça. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est en français. Qui parle français dans ce pays-là maintenant mm. Toutes les Mais parlons de choses sérieuses. Mais Charles, on n'a pas besoin d'être, euh, de parler en bon français pour être excellent aussi. Hein Ok, si tu ne comprends pas l'exercice de mathématiques, je comprends pourquoi. Qui est écrit en français, je comprends que tu ne feras pas les maths, ou qui est écrit en anglais. Donc ça donne quoi les résultats aujourd'hui On a combien de gosses qui font des séries scientifiques Et on va, on va faire quoi avec les littéraires On va faire quoi avec les gens qui ne sont même pas allés en terminale mm. On va faire... Oh, non, attends, on On va chercher... Ils ont raison boulen dem loxo man. ak ñu aussi Ousmane Sonko. non sago pourquoi ngay avons Ousmane ah, Sonko. mais attends c'est moi je te rapporte Charles pourquoi nous ñu euh, ñoo ñu duggu non Saga Ousmane Sonko bon le projet bi di saaga Ousmane Sonko après il arrive au pouvoir nga bëgg a bokk ci projet bi. ça ça pose problème saaga mosuma saaga Sonko mosuma sag Macky Sall té pourtant ànduma woon nak Macky Sall té Sonko bi si lu bëri ànduñu mais sag mom xalaatuma ko. voilà ñom na loolu lañuy wax. képp ko xam ne dafa sag Ousmane Sonko. mais da nga xam que ñon na sag ak ñu kii euh, et puis noo mel noonu fii bo togué ñu dañuy tok suñu biir saagante ndey matin soir suñu yàpp noonu la. <laughs>

on a fait ce qu'on a voulu de, de, de, de, de euh, Ababakar Khalifa.